Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Bonjour, euh, ici dimanche depuis le studio de la Voix de l'Amérique. Euh, Eugène Pewa Pelema, Suleiman et Chekou, nous sommes là. Nous allons, euh, Chekou et Suleiman, un peu parler de cette euh, fin du match, du moins, de ce match qui vient de se dérouler entre... le Zamalek d'Égypte contre l'AS Douane. vous êtes du Sénégal, vous devez être un peu déçu de cette prestation. comment vous avez vu cette, cette partie qui s'est jouée Moi, je crois qu'ils ont perdu ils ont perdu dans la mesure où ils n'ont pas si gérer le match, ils n'ont pas si gérer leur défense comme l'attaque aussi. Et quand tu joues un match, tu as besoin de serrer la défense, d'alterner la défense et surtout de jouer des euh, euh, comment faire sortir la balle d'une façon ou d'une autre très rapide et ils n'ont pas ils n'ont pas su gérer ça ils n'ont pas si gérer ça ils ont fait euh, beaucoup beaucoup beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs qui et ça se fait cash. Tout à fait. Hein, chez Coup, euh, ça n'a pas été la, meilleure prestation, en tout cas, de, des douanes jusqu'à maintenant, euh, qui, par le premier match, nous donnait l'impression de pouvoir jouer un rôle euh, d'outsider dans cette compétition. Bon, euh, merci, Régine. Je pense que le problème, c'est un problème d'ensemble. Hein. parce que le tournoi, c'est pas juste un match ou deux matchs. Il fallait se préparer. Et quand on a gagné le premier match, peut-être que le Ferro nous a gagné. Et, en conséquence, quand on est venu au second, on a peut-être sous-estimé Ferroviaire de Maputo. Et ils ont, pris la chicote et ils ont vraiment tapé. Et je pense que c'était le match, c'était le match euh, décisif pour la hein. On ne devait pas, on ne devait pas perdre ce match. Parce que, parce que tout le monde savait que les Amalek, quoi qu'il advienne, sera une grande puissance. Et ça nous a compliqué la tâche. Aujourd'hui, peut-être qu'on est venu et, le moral n'était pas tellement là-bas. Tout à fait. Il y a aussi ce joueur de l'Asdouane qui était blessé, qui était manquant. Euh, mais c'est vrai ce que tu dis. Euh, le, d'une certaine manière la stratégie de jeu qui a été appliquée euh, par le coach de, des douanes contre Maputo était la, la, la, mauvaise. Ils auraient dû jouer euh, un match homme à homme tout terrain parce qu'ils avaient les qualités physique, athlétique de pouvoir faire ce match-là contre une équipe qui jouait avec un 5 en jeu, qui jouait presque tout le monde jouait plus de 36 minutes par match. Ils auraient dû les battre à l'usure. Mais au lieu de ça, ils ont, à un moment donné, quand le Maputo a pu prendre ses marques, euh, ils ont préféré revenir dans une zone et donc conforter le, euh, Maputo qui a pu dérouler tranquillement son match et à aucun moment pendant ce match euh, contre Maputo ils n'ont pu euh, revenir donc se mettant dans une situation où ils ont perdu un match de 14 points et une grande pression pour jouer ce match contre contre Zamalek et, et comme le disait Suleiman euh, pendant tout ce match, il y a eu énormément de décès aujourd'hui contre le Zamalek. On a vu, euh, euh, par exemple, il n'arrivait pas à défendre l'écran. Euh, chaque fois, euh, euh, le porteur du ballon profitait d'un écran, le gars qui défendait l'écran restait trop loin derrière, donc ça crée un mismatch. Obligatoirement, le meneur était plus rapide, par exemple, que ce pivot qui ne pouvait pas aider sur l'écran. Mhm. Et donc, où il le battait il y avait faute ou il y avait panier. S'il arrivait à le coincer, il y avait une rotation, une passe, euh, un décalement et c'était un panier à trois points. Et ça a été comme ça pendant euh, tout ce match. Ils n'ont jamais pu résoudre ce problème-là d'une certaine manière. Pas du tout, pas du tout, parce que dans la mesure, euh, dans la mesure où il n'y avait pas de transition, et les Amalek, tout ce qu'ils jouaient, c'était des écrans. Et après les écrans, ils attendaient pour avoir des tirs primés. Et ces tirs primés ont, ont été favorables pour eux. Et nous, au lieu de voir communiquer aussi en défense, parce que quand un écran vient, tu dois avertir le gars, l'écran est, ouvrir pour qu'il puisse euh, euh, sortir, mais si vous ne communiquez pas, ça se paye. Tout à fait. En tout cas, à mon avis, chèque, euh, sur les écrans, il y avait deux manières de le faire c'était orienter le porteur du ballon vers une direction. Donc le garde ferme et empêche euh, le porteur du ballon de profiter de l'écran, donc le fait aller à l'opposé de l'écran, et le grand vient euh, juste pour contrecarrer de telle manière à ralentir, et comme ça, c'est plus facile de, faire une rotation à l'opposé parce qu'il suffit de lever les bras. Ou alors, le grand doit monter automatiquement et ce n'était pas ce qui était fait euh, chez Coup et ça a coûté très cher euh, ça, ça, ça, a été payé cash et, dès, dès, dès l'entame de la deuxième partie du premier carton on a vu une équipe euh, de Zamalek prendre le dessus et ne jamais regarder derrière ils, étaient à l'aise. Et je pense que c'est un tout, hein, parce, que, parce que même si on regarde les tirs primés, Zamalek en a mis 7 sur 19. Donc, donc ça n'a pas trop trop posé dans le match je, pense que, je pense que nous, mentalement, peut-être qu'on n'était pas prêt, On a perdu le match d'avance. Donc, donc, donc, quand on est venu, si on était venu et on était bien entré dans le match, peut-être que ça nous aurait permis de revenir dans le tournoi. Mais, mais, mais depuis la défaite contre Maputo, je pense que les, cartes étaient hein. C'est vrai que euh, souvent, ce qu'on néglige, c'est que le sport, c'est pas le physique l'athlétique, le technique, c'est d'abord le mental. Mhm. Donc 75% des matchs, ça se joue dans la tête d'abord. Bon, bien sûr, l'aspect, euh, si une équipe ne se prépare pas, elle peut être mentalement forte, elle ne va pas gagner. Et bon, c'est, on ne sait pas dans quelles euh, conditions cette équipe euh, des douanes se sent préparée pour ce tournoi. Mhm. Ce qui est sûr, quand on les a vus jouer le premier match, on a vu une équipe... Euh, décidés à jouer, qui jouait durement, qui jouait en groupe. On voyait une équipe qui était soudée, qui était regroupée. C'était pas facile de rentrer dans cette zone euh, euh pénétrée dans la, entre euh, les joueurs de, de, douane qui étaient qui jouaient un basketball très serré. On les voyait aux écrans retard quand un tir partait. On les voyait tous ils prenaient leurs hommes et quand ils avaient la balle, on sentait cette détermination pour gagner le match. Mais à l'entame du deuxième match contre Mabuto, c'est comme s'ils avaient perdu quelque chose, un peu une partie de l'âme euh, mhm. de leur de leur basketball. Et on a trouvé une équipe qui est devenue fébrile. Aujourd'hui, c'était encore plus grave, c'est-à-dire qu'ils ont carrément euh, euh, démissionné, raté des lay-ups, raté des tirs, mais ou tiré dans des positions exécrables. On a vu une équipe des Amalek mener des contre-attaques avec pas de repli défensif du côté de, des douanes. En tout cas, le match était plié euh, depuis l'entame du deuxième quart-temps et il va falloir que là, euh, que le, coach de, de, cette équipe puisse essayer de préparer euh, le prochain match parce que normalement ils sont qualifiés en tant que meilleur troisième de ce groupe puisque les Hoopers ils sont à moins 40 et quelques là-bas. eux, ils seront qualifiés, ils sont de justesse qualifiés d'ailleurs. Mhm. Euh, euh, d'ailleurs, on doit faire le calcul parce que je n'ai pas refait le calcul. Est-ce qu'ils sont qualifiés parce qu'ils ont perdu quand même de 20, euh, de 14 points et de 24. ça leur, fait, ça leur fait, 38. On, a, un négatif de 20 parce qu'on a gagné le premier match à 18 points. Ah oui, oui, oui, oui. Donc, oui, c'est vrai. Donc, ils passent, donc, ils passent là, il n'y a, pas de souci. Euh, mais quand même, euh, il va falloir que le coach de l'Est Douane puisse faire les, les rectificatifs dans sa stratégie, en tout cas. Je disais à Suleiman que, euh, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas entendre, que nous sommes venus pour apprendre, hein, puisque c'est un premier tournoi, et il y a beaucoup de choses, et, et même nous qui sommes là, nous ne maîtrisons pas carrément l'environnement de l'équipe. Et, et, et, on peut être là dans le studio et vouloir que l'équipe fasse une zone presse. Est-ce que la condition physique est là-bas parce que l'entraîneur, il, sait ce qu'il a, il connaît son groupe. On, veut bien qu'il fasse une zone presse, mais est-ce qu'il pourra contenir ça Peut-être que c'est la raison pour laquelle il a voulu jouer en zone. On ne sait pas. Non, mais non, ça, c'est pas possible. mais Chéro, <laughs> là, là, là, il faut, il faut revoir. On a eu tout le temps possible pour se préparer. On a eu tout le temps possible. Mais, mais pour notre championnat a repris pas longtemps. Hein? Non, non, non, vous, c'est comme si tu essaies de, de valider. De, de, discuter, hein? <laughs> de valider. Non, non, non, pas du tout. Mais, hein? mais moi, moi, moi c'est que. Parce qu'une équipe peut perdre avec l'âme. Hmm. Une équipe peut perdre et tu dis aux joueurs merci, vous vous êtes battu corps et âme, vous avez appliqué ce que je vous ai dit, mais vous n'avez pas eu la chance. Mais quand une équipe, équipe perd comme ça, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mm. Et c'est quelque chose-là, quand on voit notre équipe jouer sans transition, quand on voit notre équipe jouer une défense de zone et prendre des tirs primés, quand on voit que euh, nos rebonds, on, on, prend les rebonds de la douane de gauche à droite, et puis euh, notre attaque est toujours en haut. En périphérie. Oui, et, quand on fait des écrans, après c'est fini, il n'y a rien. Donc euh, ça, c'est un travail qui devait être fait avant le tournoi. Donc si vous venez dans le tournoi et que vous avez des problèmes comme ça, il y a un travail qui doit se faire. En tout cas, à coup, ce qui est sûr, c'est pas, on ne met pas le coach des douanes euh, devant le banc des accusés. Mhm. Mais euh, justement, revenant sur la zone, au basketball, il est plus difficile de jouer une zone qu'en Mahomes si une, équipe n'a pas la condition physique, elle peut pas jouer la zone. Mhm. Parce que la zone, c'est justement, on dit, c'est bien une zone. toute l'équipe bouge en même temps. Ah. Donc cette synchronisation est beaucoup plus difficile. Le match contre euh, Maputo, mhm. cette équipe de, de douane, le match qu'ils avaient joué précédemment contre, mhm. euh, euh, je crois que c'est Salé, GS Pétrolier, GS Pétrolier. Uh-huh montrent qu'ils avaient les qualités athlétiques de pouvoir jouer un, match en membre tout terrain. Et, ils avaient, c'était assez une équipe assez profonde. Ils avaient des arrières qui venaient du banc qui étaient bien comme euh, Mamadou Faye mhm. et, d'autres. Ils avaient tous les moyens. Je pense que ça a été un mauvais choix stratégique. Et quand ils ont pris de l'eau, maintenant c'était compliqué de revenir. Parce qu'en en fait, cette équipe de Maputo, c'est quoi C'est cinq joueurs avec mhm. quelques gars sur le banc. Mhm. Hein. Euh, c'est vrai que Barou, qui n'avait pas joué le premier match, s'est hein, retrouvé hein. et joue un rôle important. Et, et, donc ces gars jouent 36 minutes. 36-37 mhm. minutes, c'est incroyable. Mhm. Alors que euh, une équipe comme celle de, euh, des douanes, ils, ont, ils avaient quand même 10 joueurs qui pouvaient faire comme rotation. Mhm. Tout ce qu'il avaient avait besoin de faire, ah, c'est jouer en marne tout terrain, euh, les prendre des arrières. Parce qu'au basketball, la force d'une équipe, ce sont les arrières. Donc il y a les arrières, le Kabongo, qu'il fallait constamment aller après, mm. et d'une certaine manière l'autre joueur euh, Maputo, euh, Massa, qui pouvait porter le ballon. Voilà, et il fallait mettre la pression sur ces joueurs-là. S'il y a pression sur ces joueurs, ils vont faire des erreurs, des mauvaises passes, le temps passe et ainsi de suite, ils auraient pu revenir. Mais on va pas refaire le passé. Donc euh, de ce match, euh, les douanes ont perdu euh, ce match et donc ils sont condamnés à jouer un quart de finale qui sera très dur. Ils vont mhm. rencontrer le Monastir parce que je pense que le premier, le meilleur premier va jouer le, plus mauvais des, le plus trois. Et donc ça va dépendre maintenant leur leur, euh, ça, leur sort va dépendre du match de, police et, de police et, de FAP. Donc, en fonction du goal average, mhm. ils peuvent être meilleur troisième ou deuxième troisième. Mais là où ils sont, ils sont plus mauvais troisième. Et donc c'est les Monastirs. Et vous avez vu l'équipe de Monastirs, c'est vraiment pas la blague. Ils sont encore plus forts que cette équipe de Zamalek. à tous les niveaux. Non, mais ah je pense, que, Zamalek ils sont bons, hein. Ils n'ont pas joué. Ils sont bons, mais ils ne sont pas aussi bons que euh, cette équipe de Monastir. Parce que je préfère, je préfère jouer Salé que jouer les deux, deux, deux équipes là. Oui, mais tu ne pourras pas jouer Salé. Salé est premier, non Non, mais Salé n'est pas premier comme euh, Monastir. Monastir, okay. Euh, ils sont devant, ils seront les premiers des premiers. Les premiers, ok. Voilà, ils seront premiers des premiers. Et, Salé, de toute façon, il joue une finale tout à l'heure contre Petro Luanda. Il faut qu'il batte Petro Luanda. Petro Luanda aussi peut être premier de cette équipe-là. Mais euh, à cause de son golavirage pour mhm. l'instant, euh, douane ne peut pas jouer. Et c'est Monastir qui va sur Monastir qui tombe et il doit prier pour que <laughs> le, match de police et tout ce qui se passe Donc euh, euh, ce match c'est du passé. Je pense que c'est bon. Le seul truc, euh, le seul truc qu'on peut dire, c'est c'est leur première expérience. Ils mhm. peuvent euh, répliquer ça pour la prochaine saison et ils savent à quoi s'en tenir. Mhm. Mais il va falloir qu'ils renforcent leur jeu intérieur parce mhm. que ils peuvent pas jouer aujourd'hui. Ils ont le droit de prendre deux joueurs africains supplémentaires mhm. et deux américains. Il appartient, les douanes ont les moyens de le faire. Ils doivent amener ces joueurs-là s'ils veulent compétir à ce niveau. parce que l'autre, on pouvait reprendre On, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris euh, Ibrahim Thomas. On ne devait pas laisser jouer, euh, aller jouer à la police. la police. Parce bah. qu'il a joué à la douane. Mais peut-être qu'ils peut ont été un peu. ils ont fait une meilleure offre. ils ont il y a ça aussi, mais peut-être il, n'était pas parti le voir à temps. Mais, c'est un ancien, c'est un ancien de l'équipe. Ici, c'est la Ligue africaine de basketball, c'est un business. C'est un joueur de la droite. <laughs> Ce sont des mercenaires. Non, c'est pas un mercenaire, c'est un <laughs> business. Hein, c'est un business et ah, c'est une ligue professionnelle et c'est au plus au offrant. C'est un ancien de la droite. Normalement, ça devait être facile de le récupérer. Tout à fait. En tout cas, chez Kou et Suleiman, sur ce match, je crois qu'on euh, en a assez dit, on ne va pas changer ce qui s'est passé. Mm. Euh, là, aujourd'hui, euh, le prochain match qui se joue euh, va opposer cette équipe des forces armées police du Cameroun mm. et cette équipe de l'AS Police du Mali, mm. une équipe des FAP du Cameroun qui a perdu son premier match de moins 3 points, un match qu'elle n'aurait pas dû perdre, et, de même le deuxième match qu'elle n'aurait pas dû perdre, mais elle a fait des des erreurs de 2 points. Donc mhm. elle a un goal average négatif euh, de 5 mhm. et une équipe euh, des forces euh, armées des polices qui s'est fait ratatiner dès le premier match par le Petro de Luanda, mhm. puis ensuite a perdu contre la, S Salé et qui a un goal de moins 30 et quelques si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pensez que quel genre de match nous allons avoir euh, tout à l'heure euh, euh, dans quelques minutes en cette journée. Qu'est-ce que vous pensez être les forces et les faiblesses de ces deux équipes, les je, je crois que ce sera un match ouvert. Ils vont jouer un match ouvert parce que ils ne doivent pas perdre. <laughs> ils ne doivent pas perdre. Donc le match ne va pas être fermé. Ils vont jouer un match ouvert, un match athlétique. Et je crois que celui qui aura la meilleure défense va s'en sortir. Ouais, tout euh, les, les, deux équipes se valent. Hein. J'ai regardé FAP et, je pense que si j'ai à choisir une équipe favorite, je, pense que j'irai pour FAP. Hein. Ouais. parce que, parce que j'ai regardé, regardé FAP, j'ai regardé Ice Police. Et, le, moi, le problème que j'ai avec le basket en général, hein, je ne sais pas si, je suis au school ou pas, <laughs> mais je pense que nos jours ne sont pas disciplinés. Ils tirent n'importe comment. Et, et, bon, j'étais mon hein. Je pense que, je pense que, <laughs> non, mais c'est important. Il faut bien gérer la balle. Parce que ce qu'on disait lors du match de la douane, ils confondent vitesse et précipitation. Vous avez 24 secondes, il faut prendre votre temps. Faire des attaques placées marquer deux points, retourner en défense. Mais si vous faites dans la précipitation, là, à toi, à moi, l'équipe qui est plus concentrée, et, c'est la différence. Les, les, les, Salés, le, euh, Petro de Luanda ont plus de réussite. Et facilement, elles gagnent des matchs. Hein. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, euh, les forces armées et police euh, du Cameroun, l'équipe de FAP est beaucoup mm. plus structurée mm-hmm. que l'équipe de mm-hmm. AS police. Mais par exemple, euh, le match précédent, on a vu euh, euh, leur meilleur marqueur, Aruna, mhm. Euh, qui garde trop le ballon, qui porte trop le ballon, qui prend trop de tirs. Qui ne... oui, je me rappelle plus de son numéro, mais je vais, on peut trouver ça tout de suite. Mhm. Et qui prenait trop de tirs à la va-vite et qui mhm. ne faisait pas participer euh, le reste de ses coéquipiers. Et ça, ça, ça a coûté cher à cette équipe du, de, des Fab du Cameroun qui aurait dû euh, l'emporter euh, lors du précédent match euh, contre cette équipe de Petro Luanda qui qui à la fin s'est mis d'ailleurs à, paniquer mhm. mais l'équipe de police du Mali leur fond de jeu n'est pas structuré d'une certaine manière, mais ils sont très athlétiques. Le problème, c'est que ils ne s'appliquent pas sur les petits détails, écran en retard pour prendre le rebond. Mhm. Euh, S'ils arrivent à faire ça, ils vont causer des problèmes euh, à cette équipe euh, des FAP. Mais s'ils peuvent pas faire ça, mhm. euh, je vois une équipe de FAP qui peut gagner ce match euh, assez, assez, assez facilement. facilement. Donc c'est qui ou double Là, mhm. <laughs> comme l'a dit euh, Suleiman, euh, il faut gagner pour être vivant. Mhm. Euh, si euh, il s'avérait que l'AS Police arrivait à, à, gagner ce match, ça pourrait donner une chance à Hoopers. Ah, de passer, oui, les River Hoopers de, mhm. de, pouvoir passer dans ce match. Donc tout est faisable euh, sur un match. Hein, on a vu euh, au basketball, hein, c'est un peu comme la loterie aussi. Hein, euh, les gens sont de, <laughs> ils sont pas, qu'on appelle ça, ils sont pas dans une bonne, ils sont pas à l'aise ce jour-là. Ils peuvent perdre le match s'ils ratent et, et ils ratent l'ensemble de leur match, ça, peut poser un problème. Mais les FAP sont mieux cotés. Mm. Lazare Ningono. Euh, c'est le coach actuel du Cameroun. Il avait été vice-champion d'Afrique en 2007 avec le Cameroun. Il a mhm. été champion d'Afrique des clubs champions avec le Petro de Luanda. Mhm. Il a gagné plusieurs championnats avec le Petro de Luanda. Il a été, il était aussi assistant coach à Rhode Island ici aux États-Unis. Euh, je ne suis pas en train de parler négativement de, de, de, de l'équipe de police du Mali, mais on a vu pendant ces matchs-là que beaucoup d'erreurs avaient été commises à ce niveau et peut-être que celle de l'équipe du Mali n'a pas pu faire une préparation parce mm. qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de cohésion mm. en tant que telle. Il y a mm. des équipes qui ont été fabriquées mm-hmm. pour jouer la Ligue africaine de basketball. C'est le cas de, des Patriotes qui hier ont perdu contre Monastir et ça pouvait se voir. Ils ont monté une équipe pour la Ligue africaine de basketball. Ils ont amené un coach qui est venu des États-Unis. Donc c'est une, c'est une équipe préfabriquée. Ah, et ça s'est vu. Ils ont payé cash contre Monastir. Ah. C'est une équipe qui existait avec une fondation ah. solide. Et quand le match a commencé, euh, euh, ils, ont, hein. ils Cette équipe du Cameroun se prépare plus, c'est mieux préparé euh, parce que se prépare depuis un moment, puisque je suis souvent euh, euh, euh, un des, le président de la Ligue du Centre dans laquelle euh, cette équipe de FAP joue. Mm-hmm. je vois souvent passer sur ma page Facebook, je vois leur préparation, je vois certaines choses qu'ils font. Donc, d'une certaine manière, ils ont été mieux préparés, mais ils ne jouent pas leur meilleur basket, mm-hmm. selon mon point de vue. Mm-hmm. Et cela est dû au fait que, bon, il y a des joueurs qui sont peut-être un peu trop personnels. Mm-hmm. Et, donc ça, ça, cause euh, un sérieux problème. Euh, mais ce qui est sûr, euh, j'espère que les coachs ont fait leurs calculs. les calculs des points et ainsi de suite, mm-hmm. parce que tout va se jouer. Par exemple, les Hoopers, il ne faut pas qu'on oublie, les Hoopers ont gagné le dernier match de 11 mm-hmm. points, même s'ils ils avaient perdu leurs deux précédents matchs le premier de 19 points, et euh, du moins le deuxième de 19 points, et euh, ils ont perdu but de 20 points. Ouais, et le premier, ils avaient perdu de contre Atoué ah, de, je pense, hein, de 23 à 60, non 23 ouais, ouais, ils ont perdu en tout cas d'un grand écart, je crois, le premier je C'est C'était euh, 23 points, donc c'est bon mm, pour, bon pour nous. Hein. euh, parce que là, je <laughs> fait chaud dans la raquette. Ils avaient, perdu, perdu, de 23, disons 23 à 19, ça fait 42, 42 moins 11. Ça fait moins 31. Ouais, c'est bon, bon, pour nous. donc. Euh, les douanes passent de toute façon, mais le problème ce sera entre ce match qui va se jouer aujourd'hui. Dans le cas où, euh, euh, par enchantement, l'Est Police arrive à défaire euh, cette équipe du Cameroun, des FAP, des Forces Armées et Police, mhm. Et se peut que tout change, quoi. Ça peut ouvrir si, ou le si chemin. Zamalek perd les demi. Pardon Et si Zamalek perd les demi Non, mais <laughs> même si Zamalek perd, ils ont deux matchs gagnés, donc euh, ils sont déjà qualifiés, eux. Ça peut pas, ça, peut, ça, sera Pas, ça va pas les affecter parce que là, ce sont des équipes qui vont gagner un match, en fait. Les Zamalek qui sont. Pétrolier aura gagné un match. Pétrolier, on, a battu Pétrolier par, par 18 points et je pense qu'ils ont perdu hier par, euh, je ne rappelle plus, mais ils ont perdu par plus de 10 points donc les pétroliers, mais les pétroliers n'ont pas gagné de match, non ah, Ouais, ouais, mais s'ils gagnent demain, ils jouent demain contre ouais, Ils, gagneraient, ils gagneraient un match. Ouais, ils ont une victoire et des défaites comme nous, hein Ouais, ouais, ouais. Ah, ah là, calcul. Euh, <laughs> là, ça devient, assez vrai, on a oublié cet aspect. Donc, ils ne sont pas encore qualifiés, en fait, dans, dans cette on poule. On va attendre demain pour voir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on disait lors de notre match, parce que nous, contre, contre euh, Ferroviaire, dans les dernières secondes, on a pris deux paniers à trois points, c'est six points c'est ça, c'est de ça que je parlais à Cédina. Dans un match de basket, on sait quand on va perdre à la fin. et quand on sait, on gèle le jeu. Mhm. On attaque de 24 secondes. Si on reprend le rebond, on redémarre avec 24 secondes, on limite les dégâts. Or, dans ce match-là, euh, de, des douanes, il n'y a aucun calcul qui a été fait. et, ça, d'ailleurs, ça, ça, ça, a mis beaucoup de pression même sur cette équipe-là aujourd'hui. Mhm. Hein, ils auraient pu, même s'ils avaient perdu de 1 point ou de 2 points, l'entame de ce match aujourd'hui serait mm. totalement différente. Mm. le mental serait aussi totalement différent et le résultat définitivement serait euh, effectivement différent. Parce que c'est sûr que c'est sûr que le Zamalek ne va pas pousser à 100% demain. Ils ne vont pas, peut-être ils vont faire jouer le banc, et faire peut-être entrer les, les titulaires pour... Euh, un banc de luxe d'ailleurs. <laughs> Mais ils vont peut-être faire entrer les, les titulaires pour euh, quelques, euh, pour, quelques minutes et, et après faire jouer le, reste et on, va voir ce que ça va donner. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Les cartes de mardi. Marie. et, de toute façon, moi je vois mal cette équipe des pétroliers battre les Amalek parce que... <laughs> Arat est blessé. On a dit qu'il est out pour toute la compétition, d'après ce que ah. j'ai pu comprendre. Ah Amdini est tout seul. Et c'est vrai que, bon, il faut pas oublier hein, les matchs entre les pays des Maghreb, c'est la mort. Hein. <laughs> Euh, Égypte, euh, Tunisie, Égypte, Algérie, <laughs> Algérie, Tunisie, eux ils se font pas de cadeaux. donc euh, demain c'est une affaire de, de famille. Hein. <laughs> et donc ils vont se rentrer dedans et ça va aller. mettre. en tout cas on se retrouve tout à l'heure pour ce match qui risque d'être explosif entre les forces armées police du Cameroun et l'AS police du Mali ici de Studio de la Voix de l'Amérique, euh, Souleymane, euh, Chekou et Eugène Pewa nous vous remercions et nous appelons nos auditeurs à venir et à être sur les bandes FM pour suivre ce match qui euh, en vaut la chandelle. C'est l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires. wani abu <laughs> too. Say the girl say make you go ten two. She they ask if I go chop banku. Ha, I go chop banku. Mommy say I go chop banku. With the way you they do your sexy wine, why I no go chop banku?